Bienvenue, c'est Imson. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci. Salam alaikum wa Imson TV, Je me présente, je m'appelle Benabas Faye, je suis journaliste. Je travaille à l'Académie Génération Foot de football dans la cellule de communication. Benabas, baax dina la donc suñu première question tey dafay wax noo gisee équipe nationale du Sénégal est-ce que est-ce que am nga si yaakaar bu baax a baax si d'accord euh, équipe nationale bi bon ni mu ko gisee baax na am nañu ay joueurs yu baax sur le plan individuel euh amna Sadio Mané bon Baldé Keita Gana Gueye ainsi de suite euh, le problème mooy le collectif avec des fois système de jeu bi. Et des fois pose poser problème euh, mais pour équipe voilà on a l'effectif qu'il faut je pense que si nous bu coach bi fait ba am osmose avec un am type je pense que ça peut nous valoir des des des satisfactions. solution ce serait un peu difficile à dire dès l'instant que je ne suis pas un technicien. Euh, jusque bon on a yàgg nañ seetaan football xam nañ yéen yi mais ñun man li ma gën a gis mooy que mu def de telle sorte que ni ñu am équipe boo xam ne day football pas surtout dañoo dañoo dañoo seetlu ni match match yu bëri euh, dañuy use ci balle aérienne yi waaye dañuy jéggi dañuy jéggi milieu bi pour dem directement ci attaque bi te loolu mën na bañ a favoriser jeu su sur le ballon à terre football parce que joueurs donc non convocation. bon convocation bon ça peut s'expliquer parce que euh, am joueurs ce sont des joueurs à vocation offensive yu fa déjà je peux parler de en receveur amna euh, aussi aussi euh, Crépin Diata, également Papa Alioune qui peut se mieux en milieu offensif ça, peut s'expliquer sur ce, côté-là. Mais je pense que nous avons nous donne un bar parce que l'équipe est déjà brune et gauche. Et gauche, c'est l'équipe de bar parce que des, fois, des déséquilibrés, je dis. Nous de une touche gauche est une équipe, beaucoup de droite.

J'aurais préféré ñu andi Santigom mais comme le dernier mot revient au coach eh, dara nañ ñaan yàlla rek eh, choix yi mu def yëpp mu am ci Donc, une donc troisième question Il y a un classement nga ñu proposé loolu. classement type. type et onze type. Euh, gis naa Edouard Mini dans les buts euh, également sur le flanc droit Wagé. sur le flanc gauche. Euh, euh, Youssouf Sabali C'est axe bi axe classique bi Salif ak dans l'entrejeu jeu indi Pape Alioune comme sentinelle euh, Pape Alioune Ndiaye ñu xaw avancé Crépé Diata en meneur sur les flancs Sadio Ismaël et devant Mbaye classement boobu nga joxe léegi gars ko gis seen écran léegi donc dañuy ñëw si sa pronostic sa pronostic di kan après nga li may ñaan yalla daal moy Sénégal jël coupe d'Afrique bi loolu ñaan yalla mais personnellement euh gis na ne daal Maroc prétendant sérieux la Maroc parce que am nañu coach bu baax tamit am nañ ay joueurs yu baax té am nañ effectif bu baax dañoo am ay joueurs yu baax le plan individuel dañoo dañoo am équipe sur le plan collectif baax nañ gis naa Maroc bu baax quoi mais Sénégalais là franchement maa ngi ñaan yàlla pour une première fois xam nga ñu am ndam ñu jël coupe d'Afrique loolu daal laay ñaan mais Maroc daal c'est une équipe à prendre très très très au sérieux te man je les vois au bout de la compétition quoi maa ngi ñaan yàlla tamit Sénégal. Cameroun final Sénégal Maroc final Sénégal dóor Voilà, là, Wa bon di déjà jaajëfal yéen à Imson TV eh, surtout yow Djibi Hamnale, voilà Maré, tu fais de de bonnes choses pour la biodiversité, mais également pour les internautes et eh, ñaan il peut ubbi xéwal Imson TV que a jëm Imson TV la première web TV du Sénégal. Bienvenue c'est Imson. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci.